Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Ici du studio de la Voix de l'Amérique, ici à Washington, ici de Jeanne Pewa Pelema, qui sera rejoint plus tard par euh, Sedina Abagay et de temps à autre par Sheikh Tcherno. Nous allons entamer ce deuxième match qui oppose le Ferrovario de Maputo à l'AS Douane. Ce sera, à mon avis, un match très disputé. Euh, le Maputo, qui a perdu son premier match, probablement voudrait se racheter en renversant la vapeur contre l'AS Douane. Et l'AS Douane va vouloir euh, euh, assurer sa deuxième victoire après d'être qualifié pour le deuxième tour comme le Patriote l'a fait tout à l'heure. Donc il s'agit ici d'un match qui est très capital pour les deux équipes il appartient au Maputo d'essayer de, d'éviter la casse parce que même s'il perdait deux matchs et qu'il gagnait le troisième match euh, avec un goal à qui ne soit pas trop à leur désavantage, il pourrait être parmi euh, deux des meilleurs troisièmes de ces trois poules. Donc euh, ils ont tout à jouer, c'est stratégique, c'est un match plus qu'important pour les deux équipes. Si l'AS Douane confirme euh, sa bonne prestation du premier jour, euh, ils seront qualifiés euh, pour jouer pour coup sur le quart de finale. Le match va bientôt commencer avec les entrées en jeu du côté des Maputo, de Marcus Hollande, makabongo Alvaro Massa, Custido Muchate et Aledi Barou. De l'autre côté, nous avons al khalil Sheikh Bamba Diallo, Mamadou Lamine Job, Sheikh Ahmed Kamara et Christopher Jarol Coclé. Comme au premier match, le coach euh, euh, met une équipe qui va commencer et un, et un bon et, un bon, et une bonne équipe pour terminer le match. Donc nous sommes à l'entrée en jeu. Le match et on repart dans le direct donc au niveau de la sélection nationale. Donc il sait ce qu'il fait. Et c'est parti en tout cas pour ce match entre le Ferro et la douane Ça va être un match passionnant, à n'en pas douter. Le Ferro déjà dos au mur, quasiment. On sait que deux défaites inaugurales seraient quasiment rédhibitoires pour passer à la phase de, groupe, de, de, de, quart de finale, pardon. La phase finale, tout simplement. On sait aussi que les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés, Malik, quand même. Les deux meilleurs troisièmes sont qualifiés. Il faut surtout jouer pour espérer être dans les deux premiers de chaque poule. Après, ça risque d'être la loterie, ça risque d'être euh, le goal average particulier ou général. Euh, c'est très aléatoire. Et ça va être vraiment intéressant de voir ce duel-là. On a beaucoup de talent hein, aux quatre coins du, terrain. <laughs> Beaucoup d'expérience aussi, hein, notamment Alvaro Massa côté, euh, côté Ferro. Kabongo qui retrouve Alvaro Massa justement. Oh là, Lucas qui est le meneur titulaire de la RDC. Hein. Ah ouais, grosse expérience lui aussi. Alors on m'a annoncé Bamba Gay qui n'était pas euh, titulaire, manifestement il l'est, puisqu'il met ce shoot à trois points là, donc on a déjà euh, dans les stats que nous offre la, la balle déjà une petite imprécision, tant pis c'est pas grave. Alors Kabongo qui met en place le système. C'est Marcus Hollande, qui est l'un des hommes forts, hein, vous le disiez Malik, de cette équipe de Maputo, qui va louper ce jumper. Allez, joli verrouillage au rebond, défensif, de la part d'Ahmed. Diop pour Gay, Alcalindour, qui essaie de retrouver peut-être le très jeune capitaine de l'AS Douane. Hein. Capitaine de l'AS Douane depuis 5 ans, alors qu'il était junior surclassé. Alcalindo C'est un 97. Hein. c'est vous dire. 97. C'est vous dire s'il a du talent. Et si, euh, si aussi il a du leadership, parce que pour être capitaine, il en faut. On le retrouve ici, balle en main. Lui qui a touché beaucoup de ballons contre euh, l'équipe des pétroliers, qui a vraiment euh, très bien mis le jeu en place, qui est un des hommes forts de cette belle victoire. La bonne interception, oh. c'est très bien fait là par Cheikh Kamara Bien, bien revenu là, Cheikh Ahmed Camara. Et Nour qui va provoquer la faute de Kabongo. La faute sur Kabongo. Oula, il n'est pas encore chaud, hein, Malik. le, le lancer était très très long. Un peu long ce shoot. Allez, il va falloir se régler. Voilà, oh c'est complètement manqué. On parle de l'expérience d'Alvaro Massa, mais il y a aussi un hein, euh, Costadio euh, Muchate, voilà, qui vient d'inscrire ce panier, qui est un très très gros travailleur de l'ombre et qui a disputé de multiples afro-baskets. En tout cas, il a suffi que vous mentionnez son nom pour qu'on le voit à l'œuvre. Ça s'appelle une invocation. Merci pour Gay. Coquelet. Chris Coquelet à trois points. Ça rentre pour Chris, Co Coquelet, pardon. Un shoot soyeux. Bon, les deux meneurs qui ont à peu près la même coiffure. Ça peut être un beau duel aussi. Kabongo. Massa. Hollande. Allez, on va voir un petit peu aussi hein, ce qu'il a dans le ventre. Ah, c'est Alvaro Massa qui a fait un superbe match hein, au match précédent et qui malheureusement a été un petit peu court hein, pour permettre à son équipe de l'emporter. il a un très très bon toucher. 24 points lors, du, du premier match. Et bientôt 40 ans, mais il ne les fait pas. Un peu comme moi. Vous ne les avez pas dépassés vos 40 ans, vous, Malik. <laughs> Essayez pas de nous avoir. Kabongo Massa à nouveau qui retrouve à l'intérieur. C'est bien joué là, il s'est bien défait de son défenseur. Ça, ça va être un des défis de l'AS Douane. Le jeu sur la position intérieure. Très, très important à Jay Barou, international ivoirien, que je connais très bien d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais pas lancer. Je me suis dit, il va y avoir le petit mot de Malik. Oh, il y a deux internationaux ivoiriens dans cette balle. On sait que l'ABC n'était pas très loin de se qualifier hein, pour cette balle. Hein. Effectivement. C'est sûr que ça doit être une grosse déception. Ce sera pour la prochaine. En tout cas, on leur souhaite, comme dirait une autre personne. Bref, Un Dour. Alors une défense au Mahom mais très très flottée du côté des Mozambicains. encore une fois, si on les manque à temps, il qu'on a eu grand écart, ça pourrait être douloureux. Et c'est un marché. Marché. Estadio ah, Muchate qui se plaint à l'arbitre. Alors on revoit. Hein. Voilà. C'est aussi tout rien quand on tente l'interception. Si on bah, est un petit peu court, on est sanctionné. Akei Barou et puis Calvo. Kabongo. Marcus Hollande. Oh. Oh, qui va les déposer sur le plexiglas. Ce très joli lay-up. One hand layup. Note artistique 10 sur 10 en tout cas. avec un petit bisou sur le plexiglas. Alcalindour à 3 points, ça ne rentre pas. Il n'est pas encore réglé pour l'instant, le meneur de cette équipe de la S-Douane. On arrive à mi-chemin dans ce premier quart-temps quasiment. Pour l'instant, le duel tient toutes ses promesses et en tout cas, celui-ci est très joli aussi. Hollande qui fait un festival, hein. une fois à droite, la fois d'après à gauche. Kabongo qui va aller jusqu'au bout peut-être, non on va ouvrir le banc à hein, côté AS Douane. Amadou fait son apparition. 15 points au premier match, 7 passes et 5 rebonds. Gros gros match pour lui. De Marcus Hollande. Massa. Kabongo qui a feinté le tir et qui attaque le cercle. Oh c'est joli ça aussi, superbe, il a résisté au contact. Tir acrobatique de Kabongo qui résiste effectivement à la défense sénégalaise. À 3 points, il est un petit peu long cette fois-ci. Mamadou Faye il va falloir se régler un peu un côté euh, douanier. Ah, j'espère pour eux qu'ils vont trouver en tout cas la mire hein, euh, à trois points. Parce que leur jeu est basé sur la défense et le tir à trois points. Chris Coquelet qui trouve faille. Oh, oh, oh, qui a marché malheureusement Mamadou Faille on l'a vu. Le pied d'appui est parti. Je vous ai senti euh, sursauter quand il y a eu le marché. Je me suis dit, oh oui, tout de suite. Il faudrait vous donner un sifflet, vous pourrez peut-être aider les arbitres. Bah, quand on regarde les appuis tout de suite, ça saute aux yeux. Hein. Effectivement. En tout cas, c'est un premier temps mort dans cette partie plutôt intéressante. 12 à 5, la S-Douane entrée timidement pour l'instant. Nous sommes au premier temps mort demandé par la S-Douane euh, qui n'a pas démarré cette, euh, ce match de bons auspices. Euh, mené à la marque par 12 à 5 par le Ferrovario de Maputo. ils ont raté de nombreux shoots, que ce soit à 2 points ou à 3 points, mais le plus important, c'est qu'ils ne sont pas bien réglés dans leur défense. Euh, sur les écrans, ils n'échangent pas rapidement ou ils ne hedge pas rapidement. Il n'y a pas l'entraide sur euh, l'écran, ce qui fait que le Ferrovario a pu prendre le dessus jusqu'à maintenant et joue avec beaucoup de ténacité. On a vu des pénétrations de Kabongo, de, de, Massa, qui ont permis à cette équipe et de, et de euh, Sullivan, du moins de Hollande, qui ont pu permettre euh, à cette équipe de prendre le dessus et mène euh, après un peu plus de 5 minutes de jeu sur la marque de 12 à 5. Donc je pense qu'entraîneur l'entraîneur sénégalais est en train de faire des petits ajustements afin que son équipe revienne dans le collimateur. repartant, we going back to live. <laughs> on a vu un superbe match hein, juste avant entre les Patriots et, euh, l'équipe de, Madagascar. dans une superbe ambiance, il y avait beaucoup de public, il y a un petit peu moins hein, pour cette rencontre. Un peu retombé, oui. Forcément. Hein. le spectacle est de qualité sur le parquet, c'est le principal. En tout cas, il faudra tirer un gros coup de chapeau à cette équipe malgache qui se sera bien battue et qui était un petit peu courte malheureusement. Allez, retour au jeu, Mika Bongo Massa Kabongo à nouveau, peut-être de Marcus Hollande de l'autre côté. Sénégalais Massar. en défense de zone. Qui a manqué son shoot à 3 points. Du coup, il s'avance. Il n'a pas plus de réussite. On se bat au rebond. Eh, pas Pabigay tout de suite hein, qui a changé son dispositif défensif là. Gay à mi-distance, le jumper manqué, le rebond pour Alvaro Massa, qui Kabongo, l'accélération de Kabongo qui va aller jusqu'au bout, qui résiste au contre, mais qui subit une faute. Eh, facile il va Vraiment meneur supersonique, hein. ah slasher, très bon driver. Un peu foufou par moment, mais c'est un excellent joueur, Capongo C'est un peu le principe de, la pièce. Hein. Des fois ça tombe du bon côté, des fois ça tombe du mauvais. Mais en tout cas, on ne s'ennuie pas avec ce genre de joueur. Ah, il a un petit background aussi américain, hein. c'est peut-être pour ça. Bien sûr, bien sûr. On peut peut-être rappeler que les Douane s'était qualifié, on l'avait dit déjà au premier match, grâce à son titre du champion du Sénégal en 2019. Par contre, le Ferro avait dû passer par la phase de qualification notamment l'élite 16 et il s'était qualifié euh, grâce à un match pour la troisième place contre les City Oilers 74-57 alors qu'ils étaient menés. Hein. C'était euh, un match très tendu. un rallye. Ils ont dû arracher leur qualification. Ils en sont là aujourd'hui et ils se battent et ils sont devant pour l'instant 14 à 6 bien mieux rentrer dans leur partie. Nouveau shoot manqué, hein, attention, hein, ça fait beaucoup là. Ouais. Là c'était chez Camara de Marcus Hollande. Très mauvaise passe. Allez, 3 contre 2, contre Et là, la très bonne passe, on va aller jusqu'au oh contre Superbe au contre à Jay Barou Au contre Alvaro Massa manque le shoot à 3 points de l'autre côté, c'est dommage. C'était l'occasion peut-être de faire un petit peu mal à cette équipe de la S-Douane dans ce premier quart-temps. Et toujours cette défense euh, un peu mixte, très très flottée. Mamadou Faye qui retrouve Chris Coquelet. Oh là, il s'est défait de trois défenseurs. Il était mal embarqué finalement. Il s'en tire très très bien. Surtout cette action-là apporte un peu de variété au jeu sénégalais. Euh, on n'a pas d'adresse extérieure, ben on va essayer d'aller chercher les points le plus près possible de l'arceau. Donc Cheikh Diallo a fait son apparition, hein. vous le voyez avec son numéro 2. Ça travaille en bas, bien joué. Très très bien joué. C'est bien fait ça encore une fois, la vieille là. faille pour Diop, faille à nouveau. À 3 points, le shoot est parti très haut. Oh, oh là, il aurait été euh... plus qu'arc-en-ciel, c'était une, bombe lâchée carrément. Kabongo tout seul encore une fois, il va falloir un petit peu défendre mieux sur ses pénétrations de Kabongo si on veut éviter ils n'y sont pas. Pour l'instant, les Sénégalais n'y sont pas, ni en attaque, ni en défense d'ailleurs. ce qui est leur force. Ça fait plus 10 ça va nous permettre de voir aussi la capacité de réaction de cette équipe. Oh, les appuis décalés, bien joué, les appuis décalés de Mamadou Faye. Très bien fait. Deux minutes à jouer dans ce premier quart-temps. El Ferro qui fait la course en tête toujours cette zone sénégalaise qui pour l'instant n'est pas aussi efficace que Oh, Kabongo à 3 points. Il n'a pas que le slash, il n'a pas que le drive. Il a aussi le shoot à 3 points. Cheikh Diallo pour lui répondre. C'est manqué le rebond offensif quand même. Non, finalement. Ça sera Barou, mais. Euh, le ballon va être rendu à la S-Douane, manifestement. On sent beaucoup, beaucoup de détermination hein, chez, les Mozambicains. On l'avait vu d'ailleurs lors du match contre le Zamalek. Attention. Et on ouvre le banc. Côté Ferro. Faille qui va aller chercher la faute. Le panier ne sera pas accordé. Et pour cause, marché sifflé contre Mamadou Faille. Il fait deux appuis sur le même pied, donc c'est marché. Parce qu'il rajoute un troisième appui avec son deuxième pied, ça fait trois au lieu de deux. Mika Bongo. Alors zone 2-3. Hollande, Kabongo à nouveau. On travaille, on fait tourner le ballon. Le shoot est manqué et ça se bat au rebond encore une fois. Coquelet. Coquelet à 3 points tout seul, complètement ouvert, très court. C'est dommage parce que ce sont de très bonnes positions de shoot, Malik. Et c'est juste un petit manque d'adresse. Ouais, c'est clair. Et par contre, du côté du Ferro, on se pose pas des questions surtout. Pose... Ah non, Ça dégaine très vite. Hein. C'était Milton Kaifaz là. Nouvelle bonne position de shoot, la deuxième consécutive, le deuxième shoot manqué c'est peut-être aussi une bonne chose d'avoir des bonnes positions. Oui. Ça finira par tomber dedans. Ah, il faut, il faut les convertir, les bonnes positions. Chris Coquelet, rebond très autoritaire, attention. La défense est très agressive sur lui de Mouchaté. Et Faye, bien joué. Ça, ça peut changer des choses justement, apporter de la variété dans le jeu, mettre du rythme et puis être beaucoup plus agressif en défense, même si c'est une zone. Dernière possession de ce premier carton. 21-12. Hollande, Kabongo. Qui fait un gros gros premier carton lui. a bien ressorti encore là. chaté au buzzer, ça ne tombera pas dedans. Et on va en rester là pour ce premier carton. Le score 21-12 Malik. La S-Douane est bousculée. À cette fin de premier carton, on a une confirmation pour le moment de la domination de Maputo qui qui met ses shoots. Par contre, euh, du côté de l'AS Douane, euh, un peu maladroit, mais qui joue beaucoup mieux sur le plan défensif, assure leur rebond défensif. Euh, c'est un match comme presque tous les autres matchs où on voit l'équipe qui a perdu essayer de euh, renverser la vapeur et essayer de gagner ce match. Euh, est-ce que le Maputo, Ferrovario de Maputo pourra tenir euh, l'ensemble des quatre cartons qui vont jouer aujourd'hui C'est la question qu'on se pose. Mais tout, est, tout peut arriver. Ce qui est sûr, cette équipe de S-Douane est bien coachée et elle a aussi de nombreux joueurs qui jouent quand même à un niveau élevé. Euh, élevé. Je crois que pour le moment, le fait qu'ils n'arrivent pas à mettre leur euh, tir à, distance, euh, il leur appartient peut-être de varier leur façon de jouer, faire des pénétrations et aller à l'anneau à, l'anneau et, et, marquer directement. Je pense que ce sera peut-être la clé. pour le, le, le l'AS Douane pour refaire son écart et se donner la possibilité de renverser la vapeur assez rapidement. En tout cas, nous sommes euh, ici euh, à la Voix de l'Amérique, depuis le studio La Voix de l'Amérique à Washington DC. C'est Eugène Pewa Pelema qui vous parle et nous allons reprendre très bientôt ce deuxième carton. C'est un match qui promet, c'est le deuxième match de euh, la journée et nous invitons nos nos, nos, différents auditeurs à suivre le match avec beaucoup d'attention. Euh, à la mi-temps, nous vous donnerons de plus en plus d'informations euh, sur ce qui se passe euh, là-bas à la Kigali Arena. Un superbe stade. Nous reprenons le direct. pour notamment sur le plan défensif. Seulement 12 points inscrits aussi quand même hein, sur le plan offensif. Alors au euh, le ton à tous les niveaux. 12 bah, points inscrits à 26% de réussite, alors que les Mozambicains sont à 56%. Regardez l'écart. Oh, l'écart il est euh, flagrant en tout cas. pas mal hein, depuis son entrée lui pourtant. Ah, il dynamise un peu le jeu offensif euh, de l'AS Douane. Diallo à trois points, ça va tomber dedans pour Diallo, ça va peut-être lancer enfin le match de cette AS euh, Douane. Fin de tir, step aside et trois points derrière qui font le plus grand bien au Gablou du Sénégal. travail en tout cas, on bien joué le contre, superbe. Datia Il apporte euh, de la présence, de la consistance euh, physique dans la raquette euh, de l'AS Douane. Ah, c'est sûr que c'est pas un scoreur, hein. seulement 4 points inscrits lors du premier match, mais c'est un joueur important hein, dans la dissuasion. Dans la dissuasion. Même si c'est pas le joueur le plus vertical, c'est quand même un joueur très physique. Mais un point d'ancrage ou même sur les écrans, il est très important. On l'avait vu très précieux sur, les écrans dans le jeu offensif de la S-Douane, notamment dans le dernier quart-temps. Marcus Hollande. Ça rentre encore à 3 points. Hein. Alors ça, ça va énerver Pabigay là parce que sur une remise en jeu, se prendre un tir à 3 points dans le corner du côté de la remise en jeu, ça c'est rédhibitoire. Faille. Coquelet à 3 points pour répondre peut-être. Massa, Kabongo, on accélère encore une fois de Marcus Hollande, la passe dans le dos, Massa. bien fait, ça. Et peut-être faute offensive, exactement, faute offensive, sifflée par l'arbitre de lille Maurice les chérubins Ah, il a bien joué le coup. Hein. <laughs> il a très très bien joué le coup. Check Bombadiop. Et on retrouve Mabadou Faye, balle en main, défendu par Hollande. Qui fait un bon début de compétition, en tout cas ce joueur-là. Coquelet, oh là, il y a un oubli par contre. Et c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage de louper ces, balles-là. Atia qui s'est superbement battu. il se bat bien. Diallo à trois points dans le même spot. Cette fois-ci, ça ne tombe pas dedans. C'est Marcus regardez qui se bat encore. Ah, Atia. C'est dommage. Il est frustré. Il est frustré. Il s'est bien battu pour récupérer ce ballon qui n'a pas été converti en panier malheureusement pour l'Aswan. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs dans le match contre les pétroliers. Atia ah, a une très bonne rapidité des duos du corps avec ses mains, de très bonnes mains, même s'il n'est pas très mobile. On sait que voilà, un de deux, c'est un avait osé faire une blague en disant que c'était un rond-point. Bon, ah c'était bah, peut-être moi. on sait de qui vient ce genre de blague. <laughs> non mais Atia, pour, pour, revenir sur lui, il a participé à la Coupe du Monde de 3 contre 3. Non mais c'est un super joueur. Voilà. C'est un superbe joueur. Ça vous classe un bonhomme. Avec de très bonnes mains, genre de devoir, de collectif. Faille, à mi-distance, le jumper. Ah et à Et encore une fois qui nettoie le rebond. il a tous les tickets shoot, hein, Faille. Et le ballon va être rendu au Ferroviario de Maputo. On sent pas de révolte hein, du côté des douaniers body language qui n'est pas très positif pour l'instant. Et nouveau shoot à 3 points, une nouvelle réussite pour Mika Bongo. C'est un festival dans cette première mi-temps. Mika Bongo, lui, n'en a rien à faire. Il aligne les pendrilles Ça fait 12 points déjà pour lui. ça fait surtout plus 12, Malik. Ben oui. Faille qui attaque le cercle. Oh, la bonne finition de Faille. Là, c'est bien joué. Un peu touché il est très agressif d'ailleurs. Les autres devraient un peu limiter. Parce qu'ils en ont les moyens. C'est vrai, il a du déchet, mais euh, au moins, lui, il y va. Voilà, c'est bien joué encore une fois. C'était une très très bonne position. Allez, ça repart, ça repart. il va aller jusqu'au bout, il va aller chercher la faute quand même. Ah, il s'en veut là de pas avoir marqué le panier. Va avoir validé cette action, Mamadou Lamine Diop. c'est ça qu'il faut de toute façon, hein. des stops et puis mettre du rythme. Sur le 55, on sait que c'est pas leur culture, c'est pas leur nature. il va provoquer le contact pour obtenir de lancer franc. faut Martins. Et on retrouve Diop sur la ligne. Et il en manque un. Beaucoup de, déchets. il hein. ne ah, il faut pas les laisser en route, les lancers francs. Et 0 sur 2. Ça, c'est très très négatif. Par contre, Kabongo. Martins. Kabongo, Massa. Ils sont patients. Ils sont très, très patients. C'est ce hein. qu'il faut faire sur une défense de zone en passe, fixé à l'intérieur, voilà, comme avec oh, la roue. Très très mal. Euh, c'était très très mal engagé. Il y a un très, très beau contre hein, quand même. C'était pas sa première idée de faire la passe. attention. Ah, le poster Oh quelle est la top 10 Malik Boum boum boum badaboum ça, c'est le tank pour l'instant de la balle, de ce début de balle. Oh là là, quelle action Et on revoit Fight parti postériser son défenseur. Waouh Et eh, ça va peut-être réveiller les Sénégalais, qui sait oh, Ça m'a réveillé moi en tout cas. <laughs> Je m'y attendais pas du tout. Waouh Quelle action je m'excuse pour les oreilles de, de, spectateurs ce Je l'ai dit, hein, c'est pour l'instant c'est le Sénégalais le plus agressif sur le parquet. Il ne faut pas qu'il soit tout seul justement. Il avait déjà été très bon, hein. ça avait été un des meilleurs joueurs de toute façon de son équipe. Action à 3 points pour lui. Et là, il est en train de les, <laughs> vraiment de les porter. Bah oui. Massa, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce dans cette première mi-temps. Et c'est presque une mauvaise nouvelle ça pour la S-Douane parce que comme on n'a pas encore vu Massa, on a vu beaucoup de <laughs> Quand il va se réveiller, attention. Hein. Alors, ça va être la même combinaison. Hollande. Ah, cette fois-ci, ils sont en défense de zone 1-3-1. Voilà, on essaie de trouver les solutions défensivement. Ah, attention, Hollande, le shoot est très très court. Faille au rebond. Et Pabigay, il a le mérite en tout cas de, de chercher des solutions jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne. C'était défense au main pour commencer, défense 2-3 euh, tout à l'heure et puis maintenant ils sont en défense 1-3-1 pour essayer de perturber l'attaque euh, mozambicaine. Et en tout cas, il va envoyer Mohamed Sadi sur le parquet et ses belles lunettes. Ouais. <laughs> Joueur intéressant hein, dans cette ah équipe de la S-Douane. Mohamed Sadi, la preuve qu'il y a des bons basketteurs en Libye. pour ceux qui, avaient des doutes là-dessus. Et c'est un nouveau temps mort dans cette partie. 27-20, s Douane hein. est un petit peu revenu. Il y avait 12 points d'avance il, n'y y a, que quelques minutes. C'est peut-être le gros, gros poster de faille qui a réveillé euh, cette équipe de s Douane. <laughs> Ça m'a même réveillé la salle. Ah, ça. <laughs> Bon, j'ai pas l'impression que vous dormiez, vous, par contre. Ah non, mais ben, vous savez, hein. moi, quand il y a du basket, en tout cas, début de match hein, de la part du Ferro. nous sommes ici au deuxième carton. Euh, il nous reste 6 minutes pour le deuxième carton et l'AS Douane commence à refaire son retard petit à petit. 27 hein. à 20 avec une défense euh, beaucoup plus agressive et pourtant c'est une défense de zone qui joue assez bien avec un super match qui a fait ce qu'on appelle au basketball un poster, un dunk ah fantastique ah avec une détente incroyable. Le premier poster du tournant, <laughs> ça vient d'un jeune Jean très talentueux du, Sénégal en fight, qui est très très très agressif. Le numéro 14, d'ailleurs, on le voit est très très engagé sur le terrain avec son équipe. le score c'est 27 euh, à 20. maintenant. Nous revenons en direct. direct. Je peux vous dire, ça valait son pesant de cacahuète Ça dit l'interception. Allez, le jeu de transition, on sait que c'est un des points forts de cette équipe de la S-Douane. Il est dans son spot chez Diallo et voilà, ça rentre dedans. Le et la S-Douane revient. <laughs> c'est le réveil des douaniers sénégalais, des gablous attention, parce que si le Ferro est tenace, que dire hein, de cette équipe de la S-Douane Massa. Ça va être très très court. Par contre, ce shoot à 3 points de Shimonzo. Ça fait quasiment 3 attaques. Sans panier du côté du Ferroviaro. Faille à mi-distance. Ça ne tombe pas dedans. Le rebond. Mouchate. Mouchate, il est quasiment à 8 rebonds euh, par match. Aussi bien en sélection qu'en club. Gros, gros travailleur aussi. Custodio Muchate. Hollande. Massa avec un peu d'espace. Il va trouver Muchate dans l'intervalle. Dans C'est Massa qui va prendre le shoot.